Hello. Soyez les bienvenus aujourd'hui à notre sondage des Écritures. Par la grâce de Dieu, le Seigneur nous a réunis encore pour pouvoir jouer sa parole. Je suis tellement convaincu que le Seigneur nous bénira. Il va nous aider à travers cette étude au nom de Jésus-Christ. Nous prions que le Seigneur donne l'entendement et la compréhension de ta parole, de sa parole au nom de Jésus. Prions, Père, nous te bénissons, te glorifions pour cette opportunité que tu nous as donnée. Nous prions que Seigneur, nous aide. Accorde la grâce, l'obéissance à ta parole lorsque, Seigneur, vient vers nous au nom de Jésus. Seigneur, donne l'entendement. Nous invitons le Saint-Esprit, le grand enseignant, qui vient, nous enseigne selon la manière dont nous pouvons entendre et comment marcher selon cette parole au nom de Jésus. Nous savons que Seigneur, tu nous as écoutés. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Gloire à Dieu. Je dis par la grâce de Dieu, nous venons dans une étude tellement importante. Et avant que nous y allons, nous allons un peu se souvenir de ce que le Seigneur nous a montré la semaine passée. Et la semaine passée, nous avons considéré un thème si important qui était sur la nouvelle génération d'Israël, c'est-à-dire le dénombrement de la nouvelle génération d'Israël. On a vu comment le Seigneur a ordonné aux enfants d'Israël d'être, euh, d'être, euh, d'être, d'avoir, d'être recensés. Donc, on, a, on avait appris une autre chose que quoi Le but du recensement est, est de déterminer quoi La force militaire d'Israël et aussi pour aider équitablement et la terre pour pouvoir aller euh, obtenir la terre promise. On a aussi appris que quoi les, L'ordre pour effectuer le recensement est de Dieu et par conséquent une ordonnance de soi menée sans délai. Donc tout recensement, tout ce que Dieu avait donné à Moïse, il n'a pas fait un délai. Il a fait ça exactement rapidement comme le Seigneur l'avait dit, sans même savoir même avant quoi la raison pour laquelle le Seigneur lui avait donné de faire cela. Donc, et on avait aussi que les fils de Corée, les fils de Corée ont échappé au jugement qui est venu sur son père et il a suscité dans la rébellion parce qu'ils n'ont pas quoi à partir avec leur père dans la rébellion ou qui se sont repentis dans le temps. Donc ils se sont repentis. Donc leur père, les péchés de leur père ne l'ont pas, ne les ont pas affectés aussi. Donc c'était l'Ancien Testament. Donc je dis par la grâce de Dieu, nous venons dans le Nouveau Testament. Et dans le Nouveau Testament, nous verrons un thème si important, un vin de venir dans le livre de Luc, Luc chapitre 12, à verset 13 à 14. Donc, et là, on verra un thème qui est, euh, qui est sur l'avertissement ou bien l'avertissement contre la convoitise, c'est-à-dire la mise en garde contre la convoitise. Vous non Donc, la mise en garde ou bien l'avertissement contre la convoitise. Et nous allons lire notre texte dans le livre de Luc, chapitre, Luc, chapitre 12. Luc, chapitre 12. Nous allons lire le verset. Lisons le suivant. Là, on verra un peu ce que le Seigneur euh, préconisait, puis ce qu'il disait en, en ses propres termes concernant comment les enfants d'Israël devaient mais leur vie. les les à partir du verset 13. les à partir du verset 13. On va voir ce qu'est exactement. On voit que on dit quelqu'un a dit à Jésus du milieu de la foule, Maître, dites à mon frère de partager avec moi notre héritage. Jésus lui répondit, Ô homme, qui m'a établi pour être votre juge ou pour vous faire ou pour faire vos partages puis il leur dit, gardez-vous de besoin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens futurs dans l'abondance. Verset 16 dit, il leur dit cette parabole, les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté, et il raisonnait lui-même, disant, que ferai-je car je n'ai pas de place pour serrer ma corde. Voici dit ce que je ferai, J'entrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, et j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Verset 9 dit, et je dirai à mon âme, mon âme, tu as beaucoup de biens, et réserve pour plusieurs années, repose-toi, mange et bois et rejouis toi Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée, et que tu as préparé pour qui cela sera-t-il? Il est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Gloire à Dieu. Vous voyez ici l'illusion, ou bien dans cette euh, que je viens de vous lire, Jésus-Christ était en train de d'enseigner sur la montagne. Et pendant qu'il était en train d'enseigner, Jésus-Christ ceci, était en train d'enseigner sur la montagne. Et lorsqu'il enseignait la parole de Dieu, tout le monde écoutait. Mais, tout ce qu'il disait, il y avait un jeune homme, un homme parmi eux. Tout ce qu'il disait là, lui, lui n'écoutait pas. Hein. Sa pensée n'était pas là-bas. Il pensait, autre, il pensait sur autre chose. Et c'est de là que Jésus parlait. Et lui, il vient d'autre de, part. Et il demandait à Jésus, ah Jésus, comment, euh, je veux que tu viennes et divises quoi le l'héritage de notre père entre mon frère et moi. Vous voyez, il a déraillé, il a dévié. C'est que tout ce que Jésus-Christ parlait du ciel et de la repentance de quoi ça là, lui, il, sa pensée n'était pas là-bas. Hein. Il y a les gens aussi comme ça aujourd'hui à l'église. Quand on parle de la parole de Dieu, leurs pensées ne sont pas sur là. Ils pensent sur les choses de ce monde. Comment faire je pour acheter une voiture Comment faire je pour bâtir une maison C'est ce qu'ils entendent penser. Les choses terrestres, les choses vaines ce qu'il a fait, c'est parce, parce que ce moment-là, et celui-là demandé à Jésus-Christ comme ça. Jésus-Christ a saisi en même temps euh, euh, l'opportunité et de lui les enseigner et aussi enseigner aux d'autres personnes en même temps. Vous voyez, Jésus-Christ a profité de l'occasion pour enseigner les gens concernant quoi L'avertissement contre quoi La convertisse, c'est-à-dire l'avarisme, c'est-à-dire le, le gourmandisme, c'est-à-dire le, le, le désir de soi-même, avoir tout, vous voyez, non Donc, euh, Par exemple, il a, a donné un exemple, la, la parabole d'un, d'un quoi, d'un riche fou. Donc, voyez, non. Donc, ici, on voit un peu, on peut parler ici de, quoi On va dire que l'avarisme, de quoi Bien, c'est la convoitise, c'est quoi C'est un désir euh, démesuré de quelque chose. Donc, il s'agit d'un fort désir d'acquérir ce que l'on ne peut obtenir légitimement ce que nous savons avoir dans ce qu'on appelle la convoitise. Toujours, il veut avoir ceci, il veut l'avoir et que cela devient pour lui. Est-ce qu'il y a les comme ça Donc, tout ce que Jésus-Christ enseignait, lui ne fait que penser de comment il fera. Et regardez ce, ce, riche, il avait que qu'il a, il a ramassé de, de tout ce qu'il a, donc il n'a plus de problème. Donc, il pensait comment faire pour manger et boire. Mais le diable dit, tu oublies que, le... lieu faire mention de Dieu dans tout ce que tu fais, parce que Dieu va redemander ton nom dans cette nuit même. Et qui fera, qui mangera, qui à quoi profiterait tout ce que tu as mangé et déposé ici. Voyez, c'est la raison pour laquelle on nous a dit dans le euh, verset 15 de notre texte que quoi Puis il leur dit Gardez-vous avec soin de tout avarisme, ou de tout avarice, de la convoitise, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fut-il dans l'abondance fit dans l'abondance. Gloire à Dieu. Donc, en regardant ceci, ne voit que quoi On ne voit que quoi On peut vraiment regarder, voir que quoi Le péché de convoitise est l'un des nombreux maux qui ont entravé la progression de nos nombreux pèlerins en voie vers le ciel. Donc, afin de surmonter ce problème-là, le Seigneur Jésus-Christ a condamné, bien vraiment, a constamment mis ces disciples en garde contre quoi Ces effets désastreux. Donc, dans ton texte que nous venons de lire dans Luc chapitre 12, on voit que quoi Christ signale trois mots, trois choses, trois vices euh, vraiment préjudiciales au pèlerin chrétien, celui qui va aller au ciel, qui marche et voyage vers le ciel, qui n'a qu'à savoir que quoi L'hypocrisie, la convoitise, l'anxiété, ce sont des choses, ce sont des vices qui peuvent l'empêcher d'aller au ciel. Donc le mot grec, hein, le nice traduit par convoiter ou quoi, signifie quoi Convoiter de plus, en plus, avoir un appétit affamé pour quelque chose, avoir l'amour de posséder, avoir envie après, ouais non, de quelque chose. Donc Dieu interdit et désapprouve quoi Le péché de convoitise. Dans la loi, il a ordonné aux enfants d'Israël, un surtout quand lisant dans le livre de Exode chapitre 20, le verset 7. la il dit quoi Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain. Tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âme, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. Voyez, le Seigneur vraiment les a avertis, les a mis en garde contre la convoitise, même dès le commencement dans le Nouveau Testament. Donc, de plus, Christ a mis en garde quoi Ses disciples en garde contre la combattise, car la vie d'un individu ne dépend pas uniquement de l'ampleur des richesses qu'il a amassées, selon Luc chapitre 12, le verset 15, c'est-à-dire notre verset, euh, euh, verset à mémoriser. Donc l'apôtre Paul aussi par inspiration a comparé la convoitise au péché de l'idolâtrie. D'ailleurs, quoi C'est que quelqu'un désire so ardemment, complètement ardemment, il ne peut que faire tout ce qu'il va faire. Lui, c'est d'acheter une voiture. Il s'en fout de tuer un homme, il s'en fout de détruire, il s'en fout de faire tout ce qu'il va faire. Lui aussi va avoir cette voiture, lui aussi va construire, lui aussi va avoir cette somme de l'argent là Il s'en fout de ce qu'il va faire pour avoir cette somme-là. Il s'en fout. Donc, c'est quoi Ça devient une idole. Tout ce qu'il vient, il est, il est à l'église, n'importe où il est, ne fait que penser de cette chose-là. Il ne fait que penser comment faire pour avoir cela. Que le Seigneur nous aide à sortir de ce chose-là au nom de Jésus-Christ. Ce matin, par cette parole, comme nous sommes en train de parler de quoi De la convoitise, c'est-à-dire l'avertissement contre la convoitise. Quand je dis l'avertissement, je dis la mise en garde contre la convoitise. On verra trois points. Le premier point, on verra quoi On va parler de euh, le péril et la convoitise bien le péril de la convoitise. de la perspective de la parole de Dieu sur la prospérité. C'est-à-dire quoi Le point de vue, ok Le point de vue de la parole de Dieu. Qu'est-ce que la parole de Dieu concerne la prospérité Est-ce que c'est juste d'un homme chrétien, enfant de Dieu, d'être riche Est-ce que la richesse, c'est un péché On verra cela. Dans trois, on verra la bénédiction, ou bien le bénéfice, ou bien le profit de la piété avec le contentement, ou bien avec le contentement, avec le contentement, le bénéfice de la piété avec le contentement. Point numéro 1, hein, le péril de la convoitise. Quelles sont les conséquences Quels en sont les problèmes qui suivent quoi Ce qu'on appelle comment le, La convoitise. Et lorsque nous regardons dans le verset 1 de notre texte que nous venons de lire, dans le verset 13 euh, plutôt, on voit comment le Seigneur aussi à parler concernant quoi ses enfants ou bien euh, ce que cela devait faire afin qu'ils puisse faire comment afin qu'ils puissent savoir que Dieu n'aime pas hein? il n'aime pas que les gens fassent de ces choses du fait de péché commettre le péché bien qu'ils se, se, se, donnent que au euh, à, la convoitise parce que cela va les douleurs de tu Cela va les détruire. Alors, nous voyons, lorsque nous regardons le verset 13 de notre passage que nous venons de lire, c'est-à-dire Luc chapitre 12, le verset 13, nous voyons exactement ce que le Seigneur a confirmé. Il dit, quelqu'un dit à Jésus, du milieu de la foule, Maître, dites à mon frère de partager avec moi notre héritage. Voyez son ambition. Voici ce qu'il pensait de lui. Sa pensée était sur comment le Seigneur va partager, qui sera là pour partager leur possession en, avec eux. Vous voyez, non Donc on dit ici que quoi Un homme est venu vers Jésus et a demandé que le Seigneur Jésus demande, ou bien il a demandé que le Seigneur demande à son frère de partager l'héritage avec lui. Vous voyez, non au lieu de chercher le salut, <laughs> il n'a pas pensé cela. Tout ce que Jésus-Christ prêchait là, ce n'était pas sa pas sa préoccupation. Donc cela a incité quoi Le Seigneur Jésus-Christ à mettre en garde ses disciples contre le danger de la convoitise. Donc le péché de convoiter ou bien le péché la convoitise est très subtil. Vous voyez non Le péché de la convoitise est tellement, tellement subsiste ici Donc on voit ici que le péché, ce péché c'est tellement dangereux. Tellement dangereux. Donc, regardez même, dit-il, a dit quelque chose. Il a dit que quoi De Moody a témoigné, lui-même lui -même a témoigné de la manière dont, qu'est-ce que le, ce que nous parlons de, qu'est-ce que la combattante peut faire. La témoigner témoigné que, d'être de plus de 40 ans, d'années dans son ministère, il avait entendu de nombreuses confessions privées et même publiques du péché, mais aucune ne concernait la convoitise. Mais en effet, cela n'est jamais considéré comme un péché, parce que les gens ne, considèrent pas ça comme un péché, même s'il est odieux. Mais subtil ou bien subtil ou bien subtil, ne concernait la convoitise. En effet, cela n'est jamais considéré comme un péché, même s'il est odieux, comme je viens de le dire. Mais il faut savoir que quoi Ce péché est tellement mortel. Et aussi, c'est quoi C'est dommageable. Ça peut endommager, ça peut détruire l'âme. Donc, au fil du temps, la convoitise a plongé de nombreuses personnes communauté ou bien de, de nombreuses personnes. On peut dire dans les communautés, dans les nations et même dans la pénurie en raison du désir effréné d'acquérir les richesses, d'être renommé au détriment des autres. Cela confirme que quoi la, le, le, prédicateur a dit que quoi Comme le, un prédicateur a dit dans l'Ecclésia, le livre de l'Ecclésia, chapitre 5, le verset 10, que quoi celui qui aime l'argent n'est pas rassasié par l'argent. Et celui qui aime la richesse n'est, bien n'en profite pas aussi. Donc c'est encore là une vanité. Et aussi l'apôtre Paul. Donc, on voit que quoi Cela a plongé beaucoup de personnes dans cela, ce qui est confirmé comme Paul l'a dit. Il a dit que quoi il il a, il a, il a comparer le gourmandisme, l'égoïsme, ou bien l'avarisme, ou bien on peut, aussi quoi, le, la convoitise comme idolâtrie. Pourquoi Dans Ephésiens chapitre 5, le verset 5, il a dit quoi Dans Ephésiens chapitre 5, le verset 5, il a dit Car, sachez-le bien, aucun impédiaque ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Donc, en effet, les principaux agents favorisant la convoitise sont quoi Les recherches du monde. Numéro 1. Numéro 2, le pouvoir politique. C'est ça. Il peut faire de n'importe quoi pour avoir la position. Il peut faire de n'importe quoi pour avoir l'argent, les richesses matérielles. Oui, donc, ça, la position, le pouvoir politique, les positions d'autorité, la popularité, et même quoi, les soucis de cette vie. Il fait faire de n'importe quoi. C'est ce qu'il a fait. Quand tu regardes ce, ce jeune qui, homme qui est venu vers Jésus-Christ lui poser cette question, tout ce que Christ prêchait là, lui, ce n'était pas pour loin. Lui n'écoutait rien. Ce qu'il pensait, ça est autre chose. C'est l'exemple exemple la en même temps que Christ l'a posé la question, ou bien il est venu en même temps pour poser cette question. Donc, euh, ce que nous dire, que les gens ne sont jamais satisfaits de ce qu'ils ont. Jamais. Et ils ne donnent pas aucune attention de ce qu'ils sont en train de trouver. Vous voyez cela, non Donc, comme question, je, pouvais, je peux poser aussi même une question tellement vivide en disant que quoi Comme on dit, eh, qu'est-ce que la convoitise et comment affecte-t-elle le pèlerin chrétien Et je j'ai donné la réponse ici en disant que quoi Qu'est-ce que la convoitise J'ai dit cela et j'ai dit que la convoitise c'est quoi C'est lorsque quelqu'un convoite ceci, dans c'est un désir démesuré de quelqu'un, de, de, de, de quelque chose. il s'agit d'un fort désir d'acquérir ce que l'on ne peut obtenir légitimement. Tout ce que j'allais utiliser légitimement, ça prend un peu de temps. Donc, et cela veut veut l'avoir à tout prix. Vous voyez cela, non C'est ça le quoi C'est ça la convoitise. Et même, certaines personnes peuvent avoir la convoitise. Ils s'en foutent. Ils veulent toujours avoir ce que d'autres ont. Quand même, il en a pour lui, mais il regarde ce que l'autre là en a. C'est ça aussi d'autres formes de convoitise. Vous voyez, non Et aussi, quels sont les dangers des richesses du monde et de la convoitise Quels sont ces dangers Les dangers des richesses du monde et de la convoitise. Ces dangers-là, il y a tant de dangers dans ce monde lorsque les gens sont en train de suivre ce qui est dans ce monde. Il y a tant de dangers. Les dangers des richesses de ce monde et de convoitise pour les chrétiens. Pour le moment, ils sont les suivants. Regardons cela quels sont ces dangers ou bien est eh, l'histoire d'un jeune dirigeant qui vraiment est venu vers Jésus et lui posant qu'il veut que quoi Il vienne partager ce qu'il faisait. et eh, c'est ce qu'il en a. Dans l'histoire du jeune dirigeant qui, riche, nous enseigne quoi Un certain nombre de leçons sur la richesse et quoi La prospérité, la possession. Donc regardons cela. Quelles sont ces leçons que nous pouvons en en acquérir concernant quoi euh, ce que ce garçon-là est venu demander. Ils étaient riches, il voulaient seulement que quoi Christ vienne et divide, divide, euh, divise quoi les propriétés entre eux. Donc, je dirais que quoi Le pays des richesses mondaines, le pays des richesses mondaines, il y a tant de richesses, il y a un grand pays dans ces richesses mondaines qui vraiment va donner quelque chose. Donc, les pays des richesses mondaines et de la convoitise pour le chrétien sont tellement nombreux. Ils sont tellement nombreux. Donc, c'est la raison pour laquelle j'ai posé la question que quelles sont quoi les richesses ou bien énumérer, énumérer les dangers des richesses du monde et de la convoitise. Donc, ils sont tellement nombreux, tellement nombreux. Mais je peux en citer certains. On peut en citer certains. Regardons premièrement, on voit quoi Premier 1, bien numéro 1, on voit quoi Il, ces richesses-là, cette convoitise-là, ils obscurcissent quoi La vision d'une personne concernant son héritage éternel. Ça, ça eh, eh, n'illumine pas. Ça ah, rend l'homme aveugle. Vous voyez Pourquoi Parce que Tandis que Jésus enseignait aux disciples les vertus célestes. Hein. Vous voyez, non Cet homme-là était là-bas. Il écoutait ce que Christ disait. Parce que Christ, dans le chapitre précédent, Christ les enseignait sur quoi dans le même chapitre, à partir du verset 1 jusqu'à 12 de Luc, chapitre 12. À Luc chapitre 12, ah, à partir du verset 1 à 12, Christ les enseignait sur quoi Sur les vertus célestes. En même temps, dans le verset 13, ce jeune homme-là était là-bas. Il était là-bas. Mais il s'est levé, il a posé, il a interrompu Jésus-Christ en lui disant que Jésus-Christ vient faire quoi lui, lui demandant en même temps d'intervenir dans le partage de l'héritage entre lui et son frère. Voici c'est ses pensées, ce qu'il pensait. Il n'était même pas là-bas. Il était là-bas encore, présent encore, mais esprit absent. Donc cette demande était inopportune. ça n'était même pas je sais que Chris ne sera pas content en même temps parce que ça veut dire que ah, ce gars-là était ici, mais ses pensées n'étaient pas avec moi. Donc tout ce que j'ai enseigné là, il n'était pas avec moi. Il pensait de comment partager les richesses avec son frère. Donc il constituait une quoi Distraction du ministère de Christ qui consistait principalement à sauver les âmes. Christ était en train d'enseigner pour sauver les âmes. Lui, il pensait d'autres choses. Est-ce qu'il y a quelqu'un comme ça dans l'église Vous êtes en train de prêcher lors de leçon des écritures, lors du message, tout ce que nous entendons parler, il est en train de penser quelque chose. Comment il va faire pour partir à la maison pour aller vendre quelque chose Comment il fera pour aller vendre et trouver l'argent pour Comment il va aller demander l'argent Comment il va faire ceci, ceci, là Il est en train de penser comment avoir l'argent pour avoir quelque chose d'autre chose. Donc, que la personne peut être dans l'église pendant des années, il ne sera jamais repenti. C'est le cas de ce jeune homme-ci, de ce jeune ici-là. Dans la leçon ici à retenir ici, c'est que quoi Est que nous devons nous prévoir Prévenir contre quoi L'influence du matérialisme. Jésus en tant qu'arbitre familial plutôt qu'en tant que guide spirituel. Jésus n'est pas là pour le faire en tant que familial, mais il est ici quoi En tant que guide spirituel sur les valeurs éternelles. Vous voyez cela, non Donc, et deuxièmement, ou bien en deuxième position, on peut aussi parler comme quoi Le jeune homme pensa ou bien le jeune homme pensa, ou bien il pensa, le jeune homme pensa à un mentor. Il, il a pris Jésus-Christ comme quoi Il pensa, il, il a pris le jeune homme comme quoi Comme un mentor, comme un leader. Donc Jésus s'est concentré sur son ministère après de l'auditoire, sur la nécessité d'aller au ciel plutôt que de se laisser entraîner dans ses problèmes familiaux. Lorsque les croyants partent avec l'évangélisation, ils ne doivent pas se laisser distraire par des questions non essentielles. Lorsque vous êtes en train de prêcher la parole de Dieu, ne laissez pas, ne vous laissez pas être persuadé, distrait par d'autres choses. Vous voyez, non Troisièmement, on voit quoi La réponse de Christ à la demande du jeune homme montre qu'un leader chrétien ne doit pas se mêler des affaires des autres hommes. Il ne doit pas se... Christ a appris à être comment À être assidu. Il a mis son... Il a été focalisé sur ce qu'il entend de faire. Il n'a pas laissé quelque chose de vient lui persuader, de de détourner de ce qu'il entend de faire. Il a continué à travailler tel qu'il le faisait, sans que personne ne lui, quoi, ne lui de, euh, se parle de ce qu'il entend de faire il n'a pas fait cela aux donc au détriment du troupeau dont il a été appelé à occuper, en particulier si ces questions sont en dehors des exigences véritables de culture. Donc, certaines personnes ont fait les écritures, ont fait les sons des écritures, ont fini. Les gens commencent, on dit, poser la question. Les gens posent des questions qui ne fait qu'il va susciter quoi Des arguments, des débats. Il ne peut que poser des questions pour pouvoir contradire. Il ne pose des questions pour susciter des débats ces personnes-là, ne les répondez pas. Ne les regardez même pas. Donc, parce qu'ils vont détourner tout ce que vous avez appris. Dans trois, quatrièmement, on voit que quoi La convoitise lit le cœur aux choses éphémères de ce monde aux dépens des trésors éternels. Vous voyez cela, non C'est ça que, ce que la, la, convoitise fait. Et maintenant, cinquièmement, la convoitise fournit une porte express vers la damnation éternelle. Que le Seigneur nous aide à, à éviter cela, à éviter cette convoitise au nom de Jésus-Christ. Lorsque nous regardons les gens, comme je viens de le dire, la convoitise rend les gens que quoi Regardez ceci. Elle a pour elle, elle, elle a tout pour elle, mais elle a laissé ce qu'elle en a. Elle regarde d'autres choses ailleurs là. Elle entend de regarder ce que l'autre en a. C'est ce qu'on appelle la convoitise. La convoitise. Quelqu'un, par, exemple, qui a une femme à la maison, il laisse sa femme, il va toujours pour chercher la femme d'autre personne. Il va toujours pour ramasser d'autres femmes, pour aller prendre une autre. Ce qu'il en a ne lui suffit pas. Il va lui prendre l'autre chose. je me souviens d'un frère qui donnait un témoignage que quoi Qui sont quelque part, là où qu'il entend, il a une boutique. Et il est là aussi avec un autre mondain. Le mondain là a quelque de trois boutiques dans, la même, euh, dans le même lieu. Donc ce, cet homme qui est païen, qui a vu comment le gars là était combattant, égoïste, le, le cest dire le propriétaire de la maison ou de l'appartement, a refusé. Il a dit, ah, toi, tu en as trois. Tu, as, euh, tu, as, tu es venu est doué toi. Celui-là, il n'a seulement qu'un. une qu'une boutique. Tu veux prendre cela Non, c'est pas bien. Il a refusé. Il a refusé de, de guider et de donner quoi Cette boutique-là, cette chambre-là, à cet homme aussi. Vous voyez ce qu'on appelle l'égoïsme. Vous voyez le l'égocentrisme. Le centrisme c'est ça. Que le Seigneur nous aide à vraiment se détacher de ces choses au nom de jésus reste. Là, au point numéro 2, on voit quoi la perspective de la parole de Dieu sur la prospérité. Quand je dit la perspective, je parle de la, du point de vue de la parole de Dieu. Que dit la parole de Dieu sur la prospérité Que dit la parole de Dieu sur la quoi La prospérité. Et lorsque nous regardons dans Luc chapitre 12, Luc chapitre 12, à partir du verset, euh, à partir du verset 22, à partir du verset, le verset 22, il dit, il dit quoi ce Jésus dit ensuite à ses disciples, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtu. Voyez cela, non La vie est plus que la nourriture et le corps plus que les vêtements. Voyez là, non Considérez les corbeaux. Ils sèment ni de moisson, mais ils n'ont ni cellier, ni grenier, et ils les nourrissent. Combien ne valez-vous pas plus que ces oiseaux qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie Personne. Si donc vous ne pouvez pas, même la moindre chose, pourquoi vous inquiétez-vous du reste Considérez comment croissent les lits et ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Est-ce vrai Oui. Si Dieu revêt ainsi l'herbe qui est aujourd'hui dans les champs et qui demain sera jetée au four, à combien plus forte raison ne vous vêtira-t-il pas Jean de peu de foi. Verset, 29, il dit, et voici, ne cherchez pas ce que vous mangerez et ce que vous boirez, et ne soyez pas inquiets, car toutes ces choses sont ce ce sont quoi Les païens du monde qui les recherchent. Votre Père sait que vous en avez besoin. Gloire à Dieu. Vous voyez cela, non Donc il est dit que ne vous y pensez de rien. Ne pensez de rien. Ne pensez pas beaucoup. Ne pensez pas à ce et cela. Le Seigneur qui est le ciel, qui entend de nous les corbeaux, qui nous les oiseaux, en prouvera à tous vos besoins. Que le Seigneur nous aide à penser au Seigneur et de croire qu'il le fera et il nous donnera tout ce qu'il va en pouvoir à tous nos besoins au nom de Jésus-Christ. Donc nous voyons qu'après avoir mis en garde les disciples contre la, contre la convoitise, Jésus jugeait nécessairement quoi De les mettre également en garde contre le danger de l'inquiétude et de l'anxiété. Donc on attend des croyants qu'ils évitent ces vices afin de pouvoir vivre longtemps. Oui, les gens pensent, pensent Quoi nous pouvons Je suis pauvre, il prend de ci et de là. Et qu'est-ce qu'il prend Jusqu'à voir que ces personnes-là meurent. Non. En d'autres termes, ne vous inquiétez pas, soyez calme en toutes circonstances concernant un besoin ou un manque. En tant que Seigneur, Jésus-Christ connaît tout ce dont nous avons besoin, c'est-à-dire sur le plan physique, sur le plan spirituel, sur le plan matériel, sur le plan financier. Il déteste l'inquiétude et l'anxiété parmi ses disciples, car elles traduisent quoi Un manque de foi et de confiance dans les promesses infaillibles de Dieu. Toujours, Dieu est toujours fidèle. L'inquiétude ou l'anxiété engendre la peur. Vous le savez, non L'inquiétude, l'anxiété engendre quoi Cela engendre la, la peur. Cela engendre la peur. Et à qui euh, qui à son tour fait comment engendre quoi Le tourment. Le tourment. Donc l'écriture affirme que quoi Dans 2 Timothée chapitre 1, le verset 7, que quoi Dieu ne nous a pas donné un esprit de crainte, mais un esprit de puissance, d'amour et d'esprit saint. Donc de nombreuses personnes ont perdu leur santé, même leur vie, à cause de la quoi De la tromperie des richesses et même de la convoitise d'autres choses qui ont étouffé la parole de Dieu dans leur cœur. Et cela a laissé quoi Place à la peur, à l'inquiétude et même à l'anxiété. Mais il y a plus de gains à conserver son calme d'espoir et son caractère paisible. Alors, en regardant ceci, nous voyons que quoi Le Seigneur aussi nous donne quoi On voit que le Seigneur ici va nous indique quatre leçons indépendantes sur les choses naturelles. Il indique quatre leçons. Voyons ces quatre leçons. Première leçon, comme Dieu soutient les, les, les moineaux, c'est-à-dire les, les, moins privilégiés, comme il nous donne les leçons. Si Dieu peut prendre soin de ces oiseaux, les moins privilégiés, à combien pour faire raison, il ne va pas prendre soin de nous. deuxième leçon, la provision divine pour le développement physique et la croissance de tous les êtres vivants. Dieu va en pouvoir de tous nos besoins au nom de Jésus-Christ. Et troisièmement, les sons on voit quoi Le soin des lys éphémères qui allaient plutôt dépérir, c'est-à-dire les choses éphémères, les herbes, les plantes du jour qui sont euh, verts avec des fleurs et plutôt dans peu de temps ils seront comment Ils vont seront desséchés, ils seront eh, pas par le feu. Quatrième nous laissons maintenant l'omniscience de Dieu s'il est besoin de toutes ces créatures dans le monde entier. Est-ce vrai Oui. Le Seigneur pense de toi. Cela indique quoi Cela indique que si Dieu nourrit les moineaux, cest à les corbeaux, les gens les moins privilégiés, à combien pour cette raison Il ne va pas penser à nous. Dieu va penser à nous au nom de Jésus-Christ. Habile, il habile il habille quoi les lits, prend soin des poissons dans les mers et donne quoi de la pluie en temps voulu. Alors il fera davantage pour ses propres enfants qui sont créés à sa propre image, selon son ressemblance, selon Genèse chapitre 1, verset 26. Que le Seigneur nous aide. pour pas qu'on pense. Juste le Seigneur veut que nous soyons. On soit riche. C'est bon, c'est normal. On peut être riche, on va l'adorer. Donc la, la parole de Dieu nous dit selon ta prospérité, il veut qu'en tout temps, on prospère. Qu'on va prospérer, on va travailler le Seigneur. Donc, quel que soit les problèmes, ne nous pensez à rien. Si? Donc, les, les chrétiens doivent rester comment Libre du péché de la convoitise. Et comment cela peut se faire Si quelqu'un va rester libre de la péché, comme notre question dit ici, mentionner les bénéfices de la piété ou bien on peut dire comment les chrétiens peuvent-ils demeurer libres du péché et de la convoitise Comment ils peuvent demeurer libres de la, du péché et de la convoitise Comment oui? Avant qu'ils puissent demeurer libres du péché et de la convoitise, c'est qu'ils doivent mener une vie de piété et une vie avec le contentement. Ils doivent se contenter, se contenter. Ils doivent être saints et se contenter de ce qu'ils ont. Ne pas regarder les choses qu'ils n'ont pas. Et avoir à tout prix le désir d'avoir ces choses-là. C'est ça. C'est ça qui va les aider d'être euh, d'être séparés de, la combattise. Et aussi, on peut parler aussi de quoi Et ça qui va les aider que nous pouvons maintenant avoir quoi La grâce de ne pas passer, euh, de ne pas être pris par à travers ces choses-là comme ça. Et le Seigneur nous aidera au nom de Jésus-Christ. Dans les bénéfices de la pitié, il y a tant de bénéfices lorsque nous sommes pieds quels sont ces bénéfices maintenant s'ils ne sont plus Quels sont ces bénéfices Regardons le point numéro 3, qui est quoi Le bénéfice ou bien les profits de la piété avec contentement. Quels sont ces bénéfices que nous pouvons avoir lorsque nous menons une vie de piété et le contentement On se contente de ce que nous avons. Quels sont ces, quels sont ces, ces, ces bénéfices que nous pouvons en avoir lorsque nous menons une vie de piété ici. Mais qui nous vient un peu que quoi Christ n'a pas fait quoi Il n'a pas recommandé la pauvreté. Hein? Christ n'a pas dit que oh, la, pauvreté c'est bien, non. Il dit, Christ n'a ni recommandé la pauvreté comme un critère pour aller au paradis. Ce n'est pas dit que quand tu es pauvre, tu vas aller au paradis. Jamais, jamais, jamais. Ni isoler la pauvre, ni isoler quoi, il n'a même, même aussi isolé que des oh, la prospérité ou la richesse comme paramètre pour aller en enfer. Non, il n'a pas dit ça n'a pas dit que les, les riches iront en enfer, les pauvres iront au ciel. Non, non, non, jamais. Jamais. Son conseil et son instruction à l'homme sont de faire quoi De chercher premièrement le royaume de Dieu. C'est seulement c'est tout. Si c'est votre pensée primitive, chaque mois, chaque nuit, c'est d'aller au ciel et vous cherchez ça premièrement. Et le reste va venir. Mais si c'est tout ce qu'il fait, être saint, marcher de la vie, de niveau pur ne vous concerne pas. Ce que vous cherchez, c'est les choses matérielles, alors vous avez perdu tout. Vous voyez, non C'est pour qu'il les aide dans Matthieu chapitre 6, le verset 34, quoi Cherchez premièrement le royaume de Dieu et la justice, et toutes les choses vous seront données par-dessus. Donc, les vraies richesses viennent de Dieu. Les croyants doivent éviter les deux extrêmes sur la question de la richesse. Abraham, ou bien Abraham était vraiment riche, sans aucune condamnation de Dieu. C'est la raison pour laquelle la Bible nous a dit dans Genèse chapitre 3, le verset 2, il dit quoi Abraham, Abraham était très riche en troupeaux, en argent et même en or. Isaac était aussi, Isaac était également comment prospère, sans aucune réprimande divine. La Bible conclut qu'Isaac, dans Genèse chapitre 26, le verset 14, que quoi Il avait des troupeaux de menu bétail et des troupeaux de gros bétail et un grand nombre de serviteurs, de serviteurs aussi les Philistins lui portèrent en vie. Voici là. Dans le Nouveau Testament, Joseph d'Arimathie était aussi un homme riche parce que Christ n'a pas opposé à la possession légitime de richesse. Jamais. Tu travailles et le Seigneur t'a béni. Tu es riche, il n'y a pas un problème. Il n'y a pas dit que quelqu'un, quand quelqu'un est riche, il va en faire. Jamais. La Bible n'a jamais dit ça. La richesse, Dieu même veut que nous soyons riches. Notre Dieu, c'est lui qui nous a donné tout ce mais lorsque cette richesse est tout ce que vous pensez, cette richesse vous amène à penser toujours de ça. Et chaque nuit, chaque moment, c'est tout ce que vous êtes robuste, vous êtes robuste, vous êtes tellement anxieux de ce que vous avez, c'est tout. Vous ne pensez même pas à la parole de Dieu, vous ne pensez pas à votre âme, vous ne pensez pas, vous êtes comme ce riche fou là qui avait tout et ne pensait pas à son âme. Il ne savait pas quand il va dormir la nuit, il ferme les yeux, c'est comme il est mort. Et maintenant, c'est Dieu qui va donner la grâce de se relever le matin. Il a oublié cela. De dire que si Dieu le veut, il n'a oublié de dire cela. Il n'a dit ce comme il avait le pouvoir sur sa vie. Non. D'un point de vue purement biblique, nous, devions voir les dangers que les possessions matérielles et la richesse peuvent constituer pour le bien-être spirituel des saints destinés au ciel s'ils ne sont pas bien chérés dans la quinte de Dieu. Donc, L'histoire aussi de ce jeune homme aussi nous donne quoi Certaines leçons que nous pouvons prendre. Quelles sont ces leçons L'histoire du jeune homme euh, le jeune dirigeant riche nous enseigne un certain nombre de leçons sur la richesse ou sur euh, les, les gains. Alors, premièrement, plus une personne non convertie possède du bien du monde. voyez, non Est-ce que vous savez plus une personne non convertie possède de biens du monde, plus il lui est difficile de les abandonner et de suivre Christ de tout son corps. C'est ça. Lorsqu'un païen possède tant de richesses, c'est difficile d'abandonner ces richesses-là, de cesser de penser à ces richesses-là, de chercher de protéger ces richesses-là et de suivre Christ. Mais, deuxièmement, la possession de richesses pas des moyens frauduleux peut conduire à l'orgueil et aussi quoi À l'autogestion. C'est ça, à l'autogestion. Cela peut suivre à cela. Parce que ces personnes-là ont suivi des moyens avant d'avoir tout ce qu'ils en ont. C'est ça. Tout ce qu'ils c'est ce qu'ils vont faire. Donc, c'est pourquoi Paul a mis en garde quoi Les croyants contre l'orgueil et contre les richesses incertaines. Et troisièmement, on peut aussi dire que quoi Troisièmement, on voit quoi Les richesses, si elles ne sont pas gérées avec grâce par celle qui les reçoit, ou bien par celui qui les reçoit, peuvent adorer ou bien absorber toute son attention et détourner cette personne de Dieu. Les gens sont, je me souviens de certaines personnes, que ils ont eu la richesse, mais au moment qu'ils ont eu la richesse, l'argent est venu. Chaque moment, où oh, ils disent, un meeting avec un business, un partenaire de business. J'aime, j'ai, euh, je dois aller ouvrir la boutique. Même le dimanche, il n'arrive même pas à l'église, à l'église parce qu'il il a des rendez-vous, il a des meetings, il a de quoi et ceci là. Il voit que les clients et le diable a mis beaucoup, de dons les clients le dimanche pour l'empêcher d'aller à l'église. C'est ça. Et chez il croit que c'est le dimanche la clé. là Quand il va le dimanche, il vend plus que les toujours. Donc Satan a fait cela comme ça. C'est dimanche, et parce qu'il croit que quand il va les dommages il va vendre plus. Donc il ne veut pas l'église en en Et sa foi continue à détruire comme ça. Donc que le Seigneur nous aide vraiment, qu'être vraiment euh, attentif au nom de Jésus-Christ. Les riches sont normalement tentés d'éviter toute association avec les pauvres et les humbles. Vraiment, c'est ça. Et cinquièmement, les richesses peuvent donner aux gens un faux sentiment de sécurité et les aveugle sur leurs véritables conditions spirituelles. Et sixièmement, les richesses présentent le grand danger s'endormir la sensibilité spirituelle d'une personne. C'est ça. Et la, dernièrement, septièmement, la plupart des gens très riches partagent rarement leurs richesses avec les pauvres, les veuves, les nécessités et les orphelins. La plupart des, gens qui sont vraiment riches, rarement ils peuvent partager leurs richesses avec les autres personnes. Mais que ça nous aide vraiment à ne pas être cela au nom de Jésus-Christ. On voit que quoi Que le Seigneur va nous aider au nom de Jésus-Christ. Les pauvres comme les riches peuvent être cupides. Tout le monde devait chercher d'abord le royaume de Dieu et sa justice pour obtenir le salut. Les croyants doivent combiner la piété, le contentement et éviter quoi La convoitise. S'ils sont, ce sont vraiment déterminés du paradis, de faire du paradis leur objectif primaire, alors c'est en cela qu'ils iront. Parce que Seigneur dit il va en pouvoir à tous nos besoins. Nous ne devons pas être comme ce riche fou qui a. Il ne fait que penser de ce qu'il en a et ce qu'il va trouver. Donc il y a des points du sur la pauvreté, et Dieu ne dit pas que ceux qui sont pauvres, et qui iront aller au ciel. Et ceux qui sont là, riches, ils ne peuvent pas aller au ciel. Jamais. Là, les gens, les pauvres aussi, iront au ciel. et euh, au ciel. Les pauvres aussi, certains pauvres aussi iront en enfer. Certains riches aussi iront au ciel. Comme aussi certains aussi iront au ciel. Donc tout cela dépend de comment nous vivons avec cela. Un croyant peut gérer mieux ses richesses. Oui, si seulement il reste Christ il laisse Christ quoi Dieu être en avant de tout ce qu'il en a. De tout ce qu'il en a. La pauvreté ou la prospérité ne sont ni des critères pour faire le ciel ni l'enfer, mais une véritable, seulement là le salut qui peut rendre quelqu'un aller au ciel. Donc, un croyant, seulement en se mettant pas confiance, il ne faut pas qu'il met sa confiance quoi En sa richesse. Parce qu'on dit quoi Comment un croyant peut-il gérer mieux ses richesses en mettant sa confiance, en mettant sa confiance en, Dieu, non en ses richesses. Et aussi utiliser ses richesses qu'il en est là pour servir Dieu dans l'humilité. Donc l'amour de l'argent aussi, oh, aussi, on me dit aussi quoi Pourquoi l'amour de l'argent est-il la racine de tous les maux La racine de tous les maux. Oui, on le dit parce que c'est parce que les non convertis, les gens qui sont non convertis ne peuvent rien faire de bon avec l'argent qu'ils obtiennent. C'est ça. C'est ça. Que le Seigneur nous aide au nom de Jésus-Christ. Et on va servir Dieu dans ce comment le Seigneur nous veut que nous fassions. Alors aujourd'hui, le Seigneur nous a parlé concernant la convoitise, la convoitise, l'anxiété. Donc que le Seigneur nous aide vraiment avec l'hypocrisie que le Seigneur de la grâce a vaincre tous ces mots là au nom de Jésus-Christ. Prions, Père, nous te bénissons, nous te glorifions aujourd'hui pour cette parole. Nous prions que Seigneur, que tu nous continues de guider. Aide-nous, Seigneur, à être près de ta parole. Et Seigneur, aide-nous à vaincre, Seigneur, la convoitise, à vaincre l'hypocrisie, à vaincre, Seigneur, euh, le Dieu de soi, à vaincre, Seigneur, euh, tout ce qui est comme avarisme, Seigneur, aide-nous à vaincre cela au nom de Jésus-Christ. Nous prions que dans la grâce, la puissance, la gloire à écouter la parole de Dieu. Lorsque nous sommes en train d'écouter la parole de Dieu, que nos pensées, nos idées soient sur la parole de Jésus au nom de Jésus-Christ. La parole, la Bible, que nous allons écouter à tout temps au nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci quand nous savons que tu nous as Dans la grâce, Seigneur, à s'échapper à la convoitise, à toutes ces choses. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen.